Bonjour à vous chers auditrices et auditeurs, c'est encore euh, un réel plaisir de vous accompagner ce matin pour l'émission Le Niger sur Kalangou, une émission co-animée par moi-même Top Draman et Rekia Arimi. La technique d'aujourd'hui est assurée par euh, Saini Isaka et à l'édition nous avons Moussa Hassan. Bonjour Rekia, en forme ce matin. Bonjour euh, Rukaya, Dieu merci. Alors qu'avons-nous au menu ce matin et eh bien, ce matin, comme d'habitude, nous aurons le flash d'information, la rubrique hebdomadaire, l'écho des régions, le sport, la rubrique loti et de la musique 100% nigérienne. Dans cette édition, nous suivrons également un entretien avec Madame Bibata Albadia, la de l'inspection des cantiers. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il nous est proposé par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Rafika. Bonjour, comment vous allez Alors pour ce matin, euh, actualité oblige la région de Dosso à l'honneur d'accueillir la 45e édition du sabre national aujourd'hui. Placée sous le thème Sani, Kassane, Labusanino signifiant unité et solidarité pour la paix et le progrès, le coup d'envoi de cette édition est prévu daprès midi et s'étendra du 20 au 29 décembre 2024. Le ministre des Affaires étrangères du Niger a convoqué mercredi 18 décembre la chargée d'affaires de l'ambassade du Nigeria à Niamey pour protester contre des manœuvres de déstabilisation. Les autorités nigériennes accusent entre autres l'appareil sécuritaire nigérien de complicité dans des attaques visant le pipeline Niger-Bénin, notamment aux environs des localités de Djundou, Lido et Karakara, dans la région de Dosso. Selon des informations relayées par la télévision, télévision nationale, ces actes de sabotage auraient été orchestrés depuis le Nigeria avec la complicité de fugitifs de l'ancien régime nigérien. Ces derniers, de concert avec certains officiels nigériens, cherchaient à déstabiliser le Niger en organisant des actes subversifs. Ces manœuvres viseraient à mettre à feu et à sang des villes et villages du Niger. Le ministre a exprimé la ferme désapprobation du gouvernement nigérien dénonçant un silence complice des autorités nigérianes face à ces actes malgré leur prétention à œuvrer pour la normalisation des libérations bilatérales, a commenté la RTN. Au-delà des attaques contre la le pipeline, le Niger s'inquiète de la présence des forces étrangères à ses frontières, notamment dans les camps en construction à Gigani et Gidankata, situés du côté nigérien. Aujourd'hui, c'est aussi la journée internationale de la solidarité humaine célébrée chaque année le 20 décembre. La journée internationale de la solidarité humaine est une journée pour célébrer notre unité et notre diversité, rappeler au gouvernement de respecter leurs engagements internationaux, sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la solidarité, encourager le débat sur les façons de promouvoir la solidarité pour réaliser les objectifs de développement durable et agir pour encourager de nouvelles initiatives pour lutter contre la pauvreté. Et c'est tout pour le flash d'aujourd'hui. Merci Rafika pour toutes ces informations. Et pour rappel, euh, notre entretien du jour, c'est avec Madame Bibata Albaja SCOFI, le projet de, à la scolarisation des jeune fille des Kanché. Oui, euh, Rekia, avant de l'écouter, nous allons euh, écouter notre première balade musicale. Il s'agit du titre Contribution positive. C'est avec le Defunking Noma et Fatima Rico. man. jama Original positive nouveau monde. prospérité. Le de l'humanité qui donne une eh? énergie positive à You know, listen. song. Pray on the Ubala Mandima, Ubala Mandima, Ubala Mandima, Ubala Mandima, Ubala Mandima, Dima, Sapa Kandaso, Lala Tirabel, Melemon, the Arabella, she not open, Tap, and say, Up to no, tell us, Salut, let's some of the test, can a new lament, the fancy man, top of the inner one, no, Massey Bam Bam. her. la mort, c'est maladie, pauvreté, the des trésors réalité, eh, man is a game Av kvartella mi saçımla poliyen abi Samena saçımla Mandı sırba plan abi Sabule vese Vay sitvan demand Sitvan demand Canye fuk amaranda Sitvan demand Sitvan demand Canye fuk amaranda Maranda coming Victor coming Samaranda coming Victor coming So Uvale mandimat Uvale mandimat Uvale mandimat Uvale mandimat Uvale mandimat Uvale mandimat Uvale mandimat mother. On pas devenir parce de l'immigration. L'Afrique vit toujours dans la colonisation. La va contre la sous-population. Les États-Unis, artisans de la pollution, mais citoyens du demand, va on demand for double country such Ou on demand, on double to voilà, après cette pause musicale, chers auditeurs, passez à présent à notre entretien du jour avec Madame Bibata Albaja Laskofi, le projet à la scolarisation des jeunes filles de Kanté qui nous dresse la situation actuelle de la scolarisation des filles dans le département de Kanté. Elle est au micro de Fanta Chamson. Vraiment, la scolarisation de la jeune fille, il y a du mieux par rapport aux années précédentes. Parce qu'avant, il y a des collèges ruraux où on ne trouve même pas des filles. Les filles, si elles commencent 6e, 5e, elles abandonnent. Mais Dieu merci de nos jours, elles vont jusqu'en 3e. Donc il y a du mieux. Mais il y a des abandons et des exclusions. Surtout au niveau des classes transitoires, c'est-à-dire de la, surtout en 6e puisque c'est le manque de tuteurs. La plupart, c'est le manque de tuteurs. Donc les parents n'ont pas les moyens pour héberger les enfants. Donc les filles parcourent de longues distances pour venir à l'école. Il y a beaucoup de risques en cours de route. Deux fois, elles sont interceptées. Deux fois, elles, euh, les travaux domestiques les empêchent de venir à l'heure à l'école. Mais maintenant, on a pu sensibiliser les parents. On a créé des collèges un peu partout à proximité. Ça réduit le manque de, fréquentation. D'accord. Madame, est-ce que vous, avez des chiffres à partager avec nous Oui, en 2000, par exemple 2019-2020, il y a 2870 filles inscrites.

soit 35,91%. De 2023 à 2024, il y a 2219 filles. Il y a eu 846 abandons, 38,12%. Mhm. Donc, on a l'impression que chaque année, les abandons augmentent de moins 3 à 4%. Voilà. Chaque année, les abandons augmentent. Et cela est dû par le manque de moyens surtout dans les collèges ruraux. Les parents n'ont pas de moyens pour subvenir à l'éducation des enfants. Les filles n'ont pas de tuteurs, Il y a le problème de déplacement. Il y a le manque de suivi. Les filles ne sont pas suivies à l'école comme on le veut. Et par rapport au problème de déplacement, est-ce que vous, parlez de la migration et de la, ou de l'exode rural oui, deux fois, les parents quittent avec les enfants pour aller en exode rural. Surtout en Algérie. Deux fois, les filles, on les envoie même à la Mecque. Deux fois, au Nigeria. les parents migrent au Nigeria avec leurs enfants. Est-ce que vous avez déjà vu des cas concrets comme ça ou que vous avez eu à en parler ici On a vu des cas concrets puisque c'était l'année passée le préfet a empêché, on a, on a intercepté des filles à l'autogare. Et puis on les a amenées dans leur village natal. Oh, et aussi, il y a des filles qui vont à Niamey pour travailler, pour les travaux domestiques. On a pu contrecarrer ça. Vraiment, le préfet a beaucoup lutté contre ça. Voilà, c'était la première partie de l'entretien du jour avec Madame Bibata Albadia, la SCOFI du projet de la scolarisation des jeunes filles de Kantier. À présent, accueillons Nafisa Adam pour la revue de presse. Bonjour, Bonjour Nafisa. Bonjour Rakia et Rukaya. Bonjour. Alors, euh, Niger, souveraineté, unité et réforme, le général euh, Abdraman Chani défend son bilan, indique le journal en ligne Air Info. En effet, dans son adresse à la nation à la veille du 66e anniversaire de la République, le chef de l'État du Niger, le général Abdrahman Chani, a dressé un bilan des actions entreprises depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie le 26 juillet 2023. Le président Chani a mis en avant les accomplissements structurants et les nouvelles orientations prises pour le pays. Le chef de l'État a souligné que le Niger a réussi, je cite, à renvoyer de nos notre pays sans haine ni violence, les forces qui entravaient notre souveraineté et empêchaient véritablement à nos forces de défense et de sécurité de monter en puissance pour accomplir efficacement leur mission. Fin de citation. Il a également affirmé que les contrats et traités jugés injustes et contraires aux intérêts du pays ont été dénoncés, envoyant ainsi un signal fort à ceux qui tentaient de dominer ou piller le Niger, souligne Airinfo. Et parmi les réussites énumérées, le président du CNSP a mis l'accent sur l'affirmation de la souveraineté sur les ressources naturelles longtemps spoliées et pillées par des puissances étrangères et leurs valets locaux. Et sur le plan international, le général Chani a mis en avant la création de l'Alliance des États du Sahel qui unit le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Cette coopération, désormais Confédération AES, vise à sécuriser autant pour moi notre espace commun et nous engager véritablement sur la voie du développement la diversification des partenaires étrangers du Niger, désormais fondée sur le respect mutuel, l'égalité souveraine et un partenariat gagnant-gagnant, va également, a également été relevé par le chef de l'État. Enfin, au niveau national, selon toujours Air Info, le Niger le général Chani a rappelé un cadre stratégique de gouvernement intitulé Pour le Niger, la Boussani qui s'articule autour de quatre axes que sont le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, la promotion de la bonne gouvernance, la souveraineté économique par le développement des bases de production et enfin l'accélération des réformes sociales. 66e session ordinaire de la CDAO, une transition jusqu'en juillet 2025 pour convaincre le Burkina, le Mali et le Niger de revenir titre le journal euh, en ligne Actu Niger. Et oui, Rekia, les dirigeants de la CDAO réunis à Abuja le dimanche 15 décembre pour la 66e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement ont décidé d'accorder au Burkina Faso, au Mali et au Niger une période de transition allant jusqu'au 29 juillet 2025. Une décision pour euh, reconsidérer leur décision de quitter l'organisation annoncée pour fin janvier 2025, rapporte à Actu Niger. Selon la même source, pour mener à bien cette mission de réconciliation, la CDAO a désigné le président sénégalais Bassirou Diomafaye et son homologue togolais Faure Gnassingbé, déjà engagés dans des efforts de médiation. Lors de l'ouverture du sommet, Omar Touré, président de la commission de la CDAO, a réaffirmé l'engagement de l'organisation. Les portes de la CDAO resteront ouvertes à ces trois pays pendant cette période. Et le président Bassirou Diomafaye, médiateur désigné a toutefois exprimé son optimisme. La situation sécuritaire actuelle impose une coopération régionale renforcée, un message qui se veut porteur d'espoir face à l'impasse actuelle. Cette initiative intervient deux jours après une rencontre à Niamey où les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, tout en débattant de la libre circulation des personnes et des biens, ont réaffirmé le caractère irréversible de leur retrait de la CDAO. Toujours dans cette revue, Nafisa, intervention des ONG étrangères au Niger, plus de 157 milliards mobilisés et dépensés, 6 767 emplois permanents et 17 597 emplois temporaires créés en 2023, titre à la une l'agence nigérienne de presse. C'était au cours d'une rencontre hier à jeudi 19 décembre avec les représentants des ONG étrangères qui, qui interviennent au Niger que le secrétaire général du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le commissaire général de police Ayub Abdrahman, a présenté aux autorités le bilan des interventions des ONG étrangères au Niger. Il ressort qu'en 2023, plus de 150 milliards ont été mobilisés et plus de 6 000 emplois permanents et environ 18 000 emplois temporaires ont été créés. Ces interventions des ONG ont concerné tous les domaines de développement à travers les huit régions du pays. En dépit des contributions combien importantes pour le développement socio-économique du pays, les services compétents de notre département ministériel ont relevé les insuffisances et manquements suivants de la conduite des activités des ONG, a souligné le ministre. Parmi ces insuffisances et manquements, Ayub Abdrahman a cité entre autres le faible respect des textes, selon qui en 2023, seules 97 ONG étrangères ont déposé le rapport d'activité sur les 319 éligibles, soit 30 040% en 2023 et seules 50 d'entre elles des 319 éligibles ont déposé leur état financier, soit 15,67%. L'acquisition des fonds par certaines ONG étrangères au mépris des règles de transparence et de collaboration avec les autorités compétentes nigériennes qui doivent prévaloir en la matière. Le ministre a par la suite exhorté les ONG à continuer dans ce élan patriotique afin que les actions de ces organisations profitent véritablement à la population, conclut la même source. Et c'est la fin de cette revue de presse. Merci Nafisa. Je vous en prie. Bonne suite merci aussi. Euh, dans la deuxième partie de notre entretien, Madame Bibata Albaja aborde la stratégie que la SCOFI de Kanté adopte pour éradiquer le problème de la fréquentation de jeunes, filles à l'école dans le département de Kanté. Elle est toujours au micro de Fanta Chamsou. Au moment des sorties avec euh, les inspecteurs, on réunit les parents quand on va en visite dans les écoles, on réunit les parents pour les sensibiliser. Ou bien il y a des filles aussi qui sont boursières avec les ONG. On sensibilise les parents quand on participe à la distribution des bourses. On les sensibilise vraiment. Mais on n'a pas de fonds disponibles pour aller faire les sensibilisations. C'est ça qui nous manque. Et les moyens. C'est tout récemment que l'inspecteur a pu dépanner notre seul véhicule que nous avons. On a, là, on n'a pas de véhicule. Pour se déplacer, chaque fois, on emprunte auprès des services. Mais Dieu merci, l'inspecteur a mobilisé le euh, peu de sous qu'on gagne dans les transferts pour réparer le véhicule. C'est les moyens qui manquent pour faire les, les travaux. Mhm. Notre inspection n'a pas de moyens. C'est ça qui bloque surtout les, les activités. Le seul véhicule, si ce n'est pas cette année que l'inspecteur a pu réparer ça, on n'a pas de moyens de déplacement. Sauf les conseillers ont des moyens de déplacement. Donc il n'y a pas de carburant. Chaque fois, on se débrouille pour trouver des carburants. Maintenant, ça va. Et par rapport aux parents, vous ne rencontrez pas de difficultés particulières Vraiment, le seul problème qu'on rencontre, les parents nous disent qu'ils n'ont pas de moyens. Donc, des fois, la fille est obligée d'aller vendre les dettes, des, des beignets, des, des galettes pour, pour avant de venir à l'école. Des fois, elles viennent en retard à l'école. Vraiment, c'est le manque de moyens. Les parents sont habitués euh, aux travaux champêtres de nos jours. Des fois, ce n'est pas rentable. Et par rapport au mariage précoce Le mariage précoce, vraiment, ça existe, Mais de, maintenant, vraiment, on a pu maîtriser. Puisque de fois, si on nous signale à temps, on informe le préfet et le préfet convoque les parents. Donc, ils ont eu peur maintenant. Vraiment, il n'y a pas de mariage d'enfants. On a pu résoudre ça. Il y en a, il y, a des gens qui sont réticents, mais vraiment, avec l'aide du préfet, on a pu résoudre ces mariages précoce là Et par rapport au problème de tutorat, est-ce qu'il y a des euh, solutions en cours ou bien des solutions que vous envisagez Ou bien des propositions, si vous avez des propositions aussi, des solutions Nous, les, euh, les solutions que nous proposons, nous demandons à l'État vraiment de créer des internats la création des alternances, c'est mieux, surtout pour les filles, pour pouvoir les héberger et les nourrir. Fils là, si c'est pas ça, les parents n'ont pas les moyens. Et, puis les villageois aussi disent qu'ils n'ont pas les moyens pour héberger les filles. C'est ça notre problème. Les filles rencontrent des problèmes. Deux fois, heureusement, hein, c'est la demi-journée. Ils viennent jusqu'à 14h et ils retournent à pied. Imaginons celles qui parcours 7-8 km. Aller-retour, ça fait 16 km. Donc, une fois à la maison, elles ne peuvent même pas étudier. Elles, disent qu'elles sont fatiguées. Mhm. C'est ça qui retarde leur instruction. Et le département de Kanté compte combien de collèges d'ici Le collège, il y a 24. Et c'est réparti dans Il y a deux CS, il y en a 4. Il y a a deux, Kanké et Dambortu. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Fidèles auditeurs, poursuivons le rendez-vous de l'émission Le Niger sur Kalangou avec la rubrique hebdomadaire Entrepreneuriat. La culture et la commercialisation du melon constituent les principales activités économiques des femmes de certains villages du département de Ndjindjimi, surtout en ce moment de la saison froide. Ces femmes transportent les mélons à Dodan pour approvisionner les différents marchés. Une activité qui, Waligoni trouve rentable, qui lui permet de joindre les deux bouts. Aussi, elle lance un appel à l'endroit de ses pères de ne pas rester sans activité génératrice de revenus afin d'améliorer leur vie et leurs conditions de vie. Elle est au micro de Abdullah Maina. Sanamu noman melone. noma mu kawo gari 'yan sari su zo su saya a wajenmu. To kamar misali shi e, malo ɗin anan me kuke irin shi? Sunan shi mu nan bambus muke cewa. Yanzu lokacin shi ne sosai a cikin shi muke alhamdulillah. To misali ya kuke yin noman nashi ne shi wannan malo ɗin? Malo wannan lokacin da muke noma shi iyan shi wannan muka ɗauka shi mu cakula shi da ɗan sukari kaɗan haka nan muka shanya ya bushe kuma sai mu je mu shifka shi a lokacin damana ne muke shifka kuma in ya yi lokacin sanyi ya nuna sai mu hudda shi mu labta a jakuna mu kawo gari 'yan sari su zo su saya 'yan sha ma su zo su saya wajenmu yanzu misali a kowane samfo da ke bisa kan jaki yana ɗaukan kimanin malo nan guda nawa kowane jaki wannan a nan gefe za mu sa kamar da 20 kuma nan ma da 20 duk jaki yana ɗauka kamar ɗiya arba'in. mulo arba'in yake ɗaukawa. To kamar misali jakuna nawa kuke kawowa a kowane rana? To wanda Allah ya ba shi sa ka san kowa noman shi daban-daban ne. Wani noman shi yana da albarka, wani yana kawowa jaki biyar hakanan, wani yana kawowa shidda. Duk da in aka yi kwana biyu kwana uku wannan za ka kawo shi. Wani jaki hudu, wani jaki biyar, wani jaki uku hakanan ne. In muka kawo a cikin gari akwai musamman inda ake sabkewa, a nan muke zuwa mu haɗu suna jiran mu mu kawo mu sabki a waje guda nan ne kamar masabkin mu suna jiran mu muke zuwa muka zo gashi nan kowa ma yana da jakin shi ya ce wannan mai cinikina ne wannan mai cinikina ne haka nan kowa mai cinikin shi yake sai dama jaki guda kuna saida shi akan nawa jaki guda wannan dai ko a lalace dai za mu saida shi kamar dai dubu ishirin a yanzu naira a naira to kamar a da nawa yake a da da lokacin da naira yana da daɗi yana da daraja bai wuce dubu hudu ba cikin gaba ɗayan shi ma yanzu da ya yi tsada bambus guda da da muke saida shi jika naira yanzu dubu naira ne to dole ne zai yi kuɗi domin naira ne zama bashi da daraja yanzu kuna jin daɗin wannan kasuwanci ko kuma wannan sana'a na sai da malo da kuke wallahi alhamdulillah sai da malo wannan tunda a hannunmu muke noman shi Allah ya sa albarka a cikin mu ci mu sha mu yi komi da komi a lokacin shi kan ya wuce wani alhamdulillah abun a zo a gani an yi shi alhamdulillah a ciki ka ci ka sha har wasu ma ka so wani 'yan dabbobinka ka kai ka ɗarme ka yi kiwo ka sai da kai wasu a melo har sun saya shanu ma. To yanzu misali da ke kin yi batu na shi wannan noma da wannan aiki na malo akan yi shi ne a lokacin sanyi. to kaman idan lokacin ya wuce haka ake zaune har zuwa wata shekara ko kuma ana yin wata sana'a ana yin wata sana'a mana eh? ana yin asabari a dajin za mu yi asabari mu kawo mu saida ta a gari ka lokacin wani noman zai zo sana'a biyun nan shine sana'a mu da shi muke ci da shi muke sha alhamdulillah mun gode Allah wani kira gare ki daga ƙarshe zuwa ga 'yan uwanku mata waɗanda suke zamne ba su yin wata sana'a domin su rufa ma kansu asiri wallahi ni dai ina musu kira dai in dai har dai wannan abin za su lamunta da shiga kansu yanda mu muka ji daɗi mu ma muna so mu ja su mu sa su su ma su gada su gani za su ji daɗin shi zaman banza bai da amfani in dai wannan sana'a na noma na melon nan kake yi C'était la rubrique hebdomadaire entrepreneuriat et pour notre seconde pause musicale, nous allons écouter le titre Hassim Moutoua de l'artiste Salam le Tandiste. ina kuke mazaje gatan gatan ku ta je ta komo gatan gatan ku ta je ta komo ga hatsi na ce ga hatsi na ce ga hatsi na ce ga hatsi na ce ga hatsi na ce ga hatsi na ce hmm. amma wa zuwa hatin mutuwa ne zuwa gurin mutuwa ne amma waga zuwa gurin ta ya karba amma waga zuwa gurin ta ya ramta wani ƙauye a Nijar. In yunwa suke da gari da yunwa gari da yunwa gabas da yamma amma waga zuwa gurin mutuwa ne amma waga zuwa gurin da ya karba zamtan hatin gurin mutuwa ayyana da doka sharaɗi yake da babbar magana ce magana cikin magana in kana iyawa ce ka ishe ta mazaje sun banye damara dan ba su ihawa sun banye damara dan ba su ihawa ko da shi haka ko da shi haka sauran mazaje wasu sun gudu wasu sun bar garin duka dan ba su ihawa sun gudu wasu sun bar garin duka dan ba su iyawa wani ƙauye a Nija, wani ƙauye a Nija, can da a daure haka gari da yunwa gari da yunwa gabas da yamma gari da yunwa gari da yunwa kudu da arewa amma wa ga zuwa gurinta ya karɓa. amma waga zuwa wurin ta yaramta amma waga zuwa wurin mutuwa ne ko da shi haka ko da shi haka sauran mazaje wasu sun gudu wasu sun bar garin duka don ba su iyawa gudu wasu sun bar garin duka dan ba su iyawa dan suna da sarau dan suna da sarau garin raken dawa garin raken dawa maza tun da sun gaza yanzu mata nike kira ko suna iyawa yanzu mata nike kira ko suna iyawa zuwa dan kuna iyawa yanzu na san kuna zuwa dan ba ku da sarau lamta hatin gurin mutuwa ai yana da doka sharaɗi yake da babban magana magana cikin magana in kana iyawa je ka ishe ta mata dubara suke da Voilà, c'était Abdusalam euh, avec le titre euh, Hatsin et Mutua. Et passons à présent à notre euh, reportage, reportage des, régions. Merci, Ricky. Les 40 femmes du groupement Labou Sitari de Winditam, commune de Tagazar, région de Tilaberi, pratique l'agriculture, l'élevage et le petit commerce. Rekia, elles ont connu beaucoup de pertes avant d'avoir des formations sur la conservation du niébé. Comment elles pratiquent cette conservation Mariam Isaka, SG du groupement, explique au micro de Seydi Abdouid Dintan. bidon wala sac pix ngara no son borai gada banda banda idin wo irtabi tabi kan irman fama amma son alhamdulillah to marcin no igada bidon dun guro bor mana amnin zanyan wuga da nin din na kosu ni ma sam waina ga hala am kogu da kogu din nin safa ni na faru hala bo ni me ga yendi koini din na yendi hino ga anu ni ganda bidon ga bidon wo mun te bidon no kan sin da fune din na bidon wo tonen di hala bodi ni ma dabu hala am bodi da me da birgi hinka ga dan ba leda ali game da birgi da ni ma hau hala masandi to ba te ji haikulno sido a sisara to ci ni gadon da bidon ra da dunguro ko gudi ga dan ni ga bidon o duruno ni ga dan ni ga dur hal nim bai ka to tap ga ni ma da ban buri kan hausi furasi to sak pixo binne sak pixo mo za dai modo da bor koy nim sako guna hala sin da fune ni tabbatan ni ka sin da fune din kan dan ni dunguro sa hala bori ni na yandi ni na safa ni na kogandi sa tara go bene a gwanda leda bindora har ba hal ni gin dunguro da ni sako kan kam gadi hala gonda fune wala sin da kan gonda fune site kan sin da fune no ga ti dinga dunguro da mo ni ga dan no ni ga hawo hawo ka sakora niga da niga hawo ka kalim ka bene niga sako bai kunkunno niga da niga kan kangana dunguri zama sifuru leda da sako gam zaman ga mu agenga sako fun nim sako haw halam bodi na hawo ka nima gisi nan guka ga halasi zama nan kan cangono agenga sako fun niman gisi nan kan can si hagasi ni nan fonda kangana niga cinga windi windi ga saka gisi nima tabbatan di mo kan nan go kan gisi da bundu wala sub wala hay fo kanga sako fun wala dunguro bumbura wala ponti wala hay zami si ba mu dunguro dan sakom goran da haw kodi mina gin kendal farese di man mursa daga tin in ka dai awu a masara awu ni man nera fala fari sumar dungudi makanda ga gisi hanni ga tuna sai amate noni akul masara wala bina sin da da bari fo dole ba ni si ni man nera ni mu dunguro samu ga nera fala fala ngi mursa no wadin kulu to ribu fo no gisi wonde da magin kande to gise wane duma ga hinga kan da riba bobo zama a fodai ngwadi se dunguro se sar lokaci kulkan ni tuna godai matkan ni gisi ihin kan ta ner se nigi hingin dunguro gisi kan lokaci kan dunguro te noru ni ma ner mantiza he maro wate ni ma tabi ma ner fala da dumen se bumboda dunguro kan ni gisi sak pikso wal bidon ga dinna duma ga fatano 100% zama man funa man sara amma wo kan sara dinna duma ce fa iza fo izi kanu ga fatta dunguro kul ga sara no gangamo ga fufu ko ni ba ngwadi se askana ga fumbo kulna sinda amma wo kan man Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif Adam Sariou est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour, bonjour Akia. Alors, actualité oblige, nous débutons par un mot sur la lutte traditionnelle alors qu'elle est l'ambiance sur place. Eh bien, nous eh bien, selon nos témoignages reçus de la part de notre correspondant Afsi Abdraman, l'ambiance bat son plein dans la ville de Dosso. Voici quelques habitants avant l'ouverture prévue ce soir au micro de Afsi Abdraman. lalle bisa ga tsare-tsaren kokowa gaskiya mu tsarin da aka kawo cikin kokowa bana mun ji daɗin shi mun ga sauyi cikin kokowa hmm. kuma muna fatan yadda muka tara baƙi a wannan garin a garin doso muna fatan baƙi kuma allah ya mai da kowa gidan shi lafiya galau wannan kokowa da za a yi allah ubangiji ya sa baƙin nan kowa ya zo gida ya koma lahiya ni ne mutumin zandar ɗan zandar ne ya zo shi ma albarkacin kasuwar baje koli shi ne ya zo wajen kuwar to shi ne allah ya kawo abokanmu na aiki muka ce to bari mu gaibata da kanmu allah ubangiji wannan muna muku barka kuma wannan da suka ɗauki jagorancin garin nan ma'aikata da iko da kowa da kowa Merci Adam pour ces petits rappels. Alors, toutes les huit régions du pays sont sur place dans la cité de Germacoin. Eh bien oui, les huit régions ont répondu présentes à ce grand rendez-vous national. Également les grands favoris de la lutte. Cependant, il y a toujours euh, un doute euh, sur la participation de Ebo Hassan, euh, où hier notre correspondant de la région de Maradi a posé la question au chef de délégation. Il a préféré garder le suspense autour de la présence de Ebo dans l'équipe. Rendez-vous cet après-midi à 15h à l'Arène de lutte à Salma Darani de Dosso. Adam, parlons à présent euh, d'un autre rendez-vous important pour le Niger en football dans le cadre des éliminatoires du Chan 2024. Eh bien, le MENA national est arrivé dans la capitale togolaise en fin de matinée d'hier. Les hommes du sélectionnaire national euh, Aruna ont effectué leur euh, première séance d'entraînement sur la pelouse euh, du Liberty Sport Academy. Progressivement, le groupe rentre en mode concentration pour les derniers réglages afin de battre cette belle équipe des éperviers locaux ce dimanche 22 décembre au stade de Kege Alomé. Pour rappel, le match retour pour non-homologation du stade général Sénécounté de Niamey sera délocalisé à Bamako le 27 décembre au stade du 26 mars. Adam, ah, pour finir, euh, partons à Gaïa où s'est jouée la finale du championnat de football à euh, d'Essa. Euh, eh bien, lors de, ce, lors de cette 22e et dernière journée du championnat organisée par l'Association des jeunes entraîneurs Zumunchi de Gaïa, AS Zongo a battu le FC couronne Nord à 4 buts à 0, remportant ainsi la, première édition de cette compétition. Ce championnat, qui est à sa première édition, s'est déroulé du 24 avril au 18 décembre 2024, a réuni 12 clubs de football de la ville et 287 buts sont marqués sur la compétition. Les précisions avec euh, Amidou Isaka, membre du comité d'organisation, au micro de notre correspondant Fadel Alou. le championnat a commencé le 24 avril 2024 et a pris fin aujourd'hui le 18 décembre 2024 avec le match qui a opposé AS Zongo et FC Courant Noir. Au total, on a fait 8 mois de compétition. On a eu 12 cartons rouges et 37 cartons jaunes on a eu à marquer 287 buts au total. Et selon le classement, le premier c'est AS Zongo avec 55 points. Il a marqué 51 buts et a encaissé 4 buts seulement. Le deuxième, FC Soleil avec 49 buts et a marqué 37 buts, encaissé 16. Le troisième, AS Lycée, 46 points donc a marqué 35 et encaissé 11. Voilà les trois premiers du classement des 12 équipes. Eh bien, chers auditeurs, c'est la fin de ce dernier numéro sportif de la semaine. On se retrouve à, à lundi pour d'autres informations. Merci Adam. Place à présent au portrait du jour. Oui, Rekia, afin de se prendre en charge et souvenir aux besoins de sa famille, Sahara Suleiman, dit Sahara Makeup, âgée de 21 ans, s'est spécialisée dans le maquillage moderne appelé make-up. Une activité qui, selon elle, contribue à son autonomisation financière. Élancée. En clair, Sahara Suleiman est une jeune fille de 21 ans, native de Ngingimi. Elle fait le maquillage moderne, communément appelé make Elle explique le processus de cette activité et les profits qu'elle en tire. Tsari na makeup wannan muna zaune ana zuwa ana kira mu mu tahi mu ma amarya mu ma yan uwan amarya dangi dai haka ana armi ana gayyata, mu muna tafiya. kuma muna zaune gida haka mutane suna tardo mu in aka yi haifuwa suna haka ana neman mu muna tafiya. gaskiya sana'a nan da nake na kai shekara uku da nake amma mutane ba yi da gane ni ba haka sai yanzu ne mutane suka yi da gane ni gaskiya babu wanda ya koya mini yau da gobe gobe ni da kaina nake nake yin na ni da kaina nake yin na har na iya uwayena ba su taba hana ni ba tunda nake makeup da kala guda ce sai dai ra'ayi ne kowa da irin nashi wani yana son foda da yawa wani ya son foda wata kuma yana son a canza mishi ma ni kwata-kwata da yawa muna yin ma uwaye makeup in ya wajen yaro yaro ya kasa gane uwar shi kuma muna yin haka madaidaci dai haka da tsab dai wanda dai ga kanan dai da ka gani dai kayi kuma akwai wanda foda yake yawa sosai akwai jagara akwai jambaki akwai lipis akwai foda mai sa yakin zufa foda ma kuma hawa hawa ce akwai na farin mutum akwai na bakin mutum akwai na jan mutum akwai na kafe akwai abubuwa maskara lipis abubuwa dai tarkace dai gaskiya da yawa ne kuma muna sa mutum fosil muna sa mishi na darmin dan kwali full drainage muna dan hahadawa dai tarkacen dai gaskiya yana da yawa to kamar misali nawa nawa kuke wannan aiki gaskiya wani fa zai dauka kuɗi kalilan ɗari biyar naira wani zai baka wani zai baka dubu wani ne ma zai yi kokari ya dauka shi ka biyu sefa ya baka kamar amare haka ana dan bamu dubu goma wani dubu biyar wani hajji ka biyar sai fa ana badawa in gida aka tardo ni ɗari biyar in ka bani Allah sa mishi albarka ban taɓa rainawa ba in ce ban na amsa gaskiya tunda sana'an hannu sana'an kwalliya ai sana'a ce kana da sana'a mutum zai tardo ka ɗan shashawa mishi ɗan jambaki da ɗan gira ne wuta ta yin ba baka ɗari biyar wallahi ina jin murna sosai ina jin daɗi wallahi ban taɓa rainawa ba wani irin ci gaba kika samu ne gaskiya na samu ci gaba sosai tunda wannan yau in ya tayi zai ce ga can wata tana kwalliya kuma kwalliyanta arha ne kaga wannan ya zo gobe ma kaga wannan ya zo gobe ma kaga wannan ya zo haka nan ne wala sai dai kayan aiki ne ban da su isassu babu wata matsala sai dai ina so in dan bude salon da kwafir amma bai yayuwa sai an nemi kas na wanke kai na gyaran kai da sauransu wannan ban ne da su su ne matsani dai ina da dan kana dai na gida da wanda za a tardon da wanda za a kira ni dan doki ya sako ita an dai in mutane ina da alhamdulillah iya warwado furwalima amadu mère de Sahara, cette activité permet à sa de s'autonomiser financièrement. Gaskiya aikin na nata na makeup yana da muhimmanci. Domin in ta je ta makeup ɗin nan ta zo tana rike kanta da kanta. Ni uwarta ma tana rike ne a cikin kuma da kannunta na baya. Kenan abin da bai kai wajen naira dubu ɗaya dubu biyu dubu uku ba tana rike su. Hatta da kuɗin makarantar su ba tana biya musu. Abin da zan ce alhamdulillah game da wannan makeup din da ɗiya ta tsahara take mun ji daɗin shi ɗari bisa ɗari. Sai dai tana da ƙarancin kayan aiki muna son masu masu hannu da shuni su kama mata wannan aikin da take don aikin ya ci gaba ya bunƙasa. sara Suleiman appelle les autres jeunes à ne pas rester oisifs. Pour elle, in jeunesse active est synonyme da lendemain meilleur ina kira sauran yan uwana matasa su ba mu sana'a muhimmanci gaskiya tana ma sana'an hannu wannan su ba shi muhimmanci ba ma kamar kwalliya wannan kawai dan hora ne da jan baki in ka iya wallahi babu matsala za ta ka har gida a amsa lamban wayan ka Ka dinga tahiya wajen mutane in dai kana da sana'a wannan ba sai ka tsaya ka roki wani sarmayi ba ya tsaya ba ka har ya bata maka lokaci wallahi alhamdulillah ina sayan anko na ina dinki na abin da bai hi karhi na ba ina saya cikin kawaye dai babu raini ina kiran mata matasa gaskiya kar su tsaya su roƙi uwaye su ringa mamma ba ni baba ba ni barantana in aka hana su wani bai iya tambayan uwaye ya zuba mu kuɗin mai ido yana jira sai an bashi wallahi in kana sana'a hannu baka tsaya wani ya baka ko da wasa wani bai ma raina ka akwai rihin asiri sosai sosai ba ma kamar ta kwalliya wani. Sarah Makeup est un exemple pour les autres jeunes filles de la commune de Ngingimi. Voilà Ruki et avant de continuer, faisons une autre balade avec euh, le titre de Marraine de Hayman. Phénomène Hayman, Kayema Libero. Moi j'ai besoin de toi, oui j'ai besoin de toi. Ma vie n'est rien sans toi. Aïman a besoin de toi. Tu ma reine et je suis ton roi. Dans tes yeux, je me noie. Je deviens, je suis fou de toi. Si je suis roi, c'est toi ma reine. Celle qui efface mes peines. La seule qui me compte. nigo man man gani kwai kai nan ki nigo kai man kani bina san ni ga ba kai ban ai ngwara kai ga te si ye gai tan kul kin ga kwai si kwai gai nan ba ka sine you know kan ga kan mahan ni wana dino sai ba nan kul kan no nigo ai tin ba ko nan kul kan no nigo ai gini ke ki se toi ma reine celle qui efface mes Voilà, fidèles auditeurs, c'est maintenant que nous allons entamer la rubrique Lotti, n'est-ce pas, Oui, Ruki, la rubrique Lotti du jour porte sur les harcèlements en milieu professionnel, un problème sérieux qui touche de nombreuses femmes et les pousse à quitter leur poste. En effet, cela engendre des graves conséquences psychologiques chez les victimes. Oui, ce phénomène, ce phénomène souligne l'importance de la dénonciation qui permet de fournir un soutien essentiel aux personnes affectée, Samira Rouafi et Aboubakar Sanda pour plus de détails. je peux te parler une minute s'il te plaît Bien sûr, la belle là je suis à ta disposition. Tout d'abord, je te demande de ne pas m'appeler la belle. Il n'y a pas ça entre nous. Tu peux m'appeler par mon nom. Excuse-moi, hein, je voulais juste te faire un compliment. Non, tu n'as pas à me complimenter sans arrêt. Comme je te l'ai toujours dit, nous sommes dans un cadre professionnel. Bon, allons droit au but. Qu'est-ce que le harcèlement pour toi Le harcèlement Une agression peut-être, ou bien un truc plus violent. Eh bien, le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Ça peut être aussi des gestes ou des mots déplacés qui ne plaisent pas à la personne. Le phénomène se prolonge parfois en ligne. On parle alors de cyberharcèlement. Je vois. Mais pourquoi tu me dis tout ça J'ai reçu des plaintes de femmes qui se plaignent de ton comportement lourd à leur égard. Quoi Moi Qui sont ces femmes Nafisa Maimouna Non. Hadjara ou Binta Calme-toi, Seydou. J'ai dit femme, je n'ai pas donné de nom, je n'ai pas donné de nombre. Mais voyons comment tu es nerveux, tes victimes sont nombreuses. Attention avec les mots que tu emploies, Léla. Tu dis victime comme si j'ai commis un acte de viol. Quel est le mal de faire des compliments ou de papoter avec ses collègues Tu sais, la femme est de nature douce, donc il faut bien causer avec elle. Non, c'est doux. On discute quand les deux parties veulent bien causer. Et parmi les femmes que tu as citées haut, il y a des femmes mariées et célibataires. Aucune ne mérite d'être autant axelée. Avant de venir te parler, certaines se sont plaintes du fait que tu essayes de les toucher sous prétexte de leur parler, ou des remarques sur leur tenue, leur façon d'être. Ce n'est ni de la courtoisie, ni de la gentillesse, c'est du harcèlement au cas où tu l'ignores. Et parmi ces femmes, il y a tes subordonnées et tu es le plus âgé. Comment peuvent-elles te confronter ou t'arrêter Écoute-moi très bien. La façon dont je parle avec les femmes ici ne te regarde pas. Si le compliment ou mon attitude à ton égard ne te plaît pas, ne généralise pas avec les femmes de ce service. Je ne te permets pas de m'accuser de quoi que ce soit. C'est vrai, j'ai fait quelques avances dont j'attends des réponses, mais rien d'aussi grave que tu espères. Des avances, donc à plusieurs personnes. Hum. Il arrive que des collègues s'apprécient et la relation peut aller loin, mais avec plusieurs personnes, ça ne se fait pas, Seydou. Est-ce que tu sais que le harcèlement est une infraction réprimée par l'article 281.1 du Code pénal, d'abord par la loi numéro 2003-25 du 13 juin 2003, et cet acte est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs selon la gravité de la situation. Au cas où tes actes ont des conséquences graves et qui perdurent à long terme, causant l'isolement, perte de l'estime de soi, baisse de résultats au travail, voire décrochage, c'est-à-dire la démission, troubles du comportement alimentaire, conduite suicidaire, etc. et j'en passe. Qui sait ce qui t'arrivera en tant que responsable de cet acte Ah, je n'avais pas connaissance de ça. Je suis sincèrement désolé pour mes actes irréfléchis. Je vais leur demander pardon. Tu peux, oui, et je te conseille de te tenir droit. Sinon, tu peux toi-même créer les raisons de ton renvoi. Et sache que même les hommes peuvent être victimes du harcèlement. Si on te le faisait à toi, est-ce que tu resterais silencieux Je l'ignore. Je n'ai pas mesuré la gravité de mes actes. Merci de m'avoir éclairé. Je suis ravi que tu comprennes. Mais sache qu'en tant que responsable de prise en charge des abus et toute forme de harcèlement dans ce service, je te convoquerai devant nos supérieurs hiérarchiques pour officialiser ton avertissement. Oui, je m'y attendais. Merci beaucoup. Léla, je vais me remettre au travail. Merci pour ton temps aussi. Je t'en prie. Voilà, c'était la rubrique Lotti Ruki, aujourd'hui, dans notre rubrique culture linguistique, nous en saurons plus sur l'expression république. Ça sera avec euh, <laughs> amin Ouachar qui vient de nous rejoindre. Bonjour Voilà, bonjour. Euh, bonjour à euh, Bonjour. نشيول ستفر تستانو ريبيبليك آه، موصل معنا نيت الجمهورية الجمهورية نهار غينا الصادم وين قنين اتكتوت نقرو الاستقلال ندولتن نيجير دي موسم مرور تمدا تريتن ديسمبر نوات تايوان هذا انت دوقدن اتصديست مروان نوات يتصديس نقرو الحرية انت شيت جمهورية النيجير دا فلاس تفر ريبيبليك انت نغزان الشيول تسوكت أرسنا الأمة أرسنا الأمة أنت تسوكا ريبيبليك ده غادي أرتي قارن الأمة أمرنا الموكلنا تفودي قامدو ستارت ولا ولا تموين زقين الأمة أجين تداغف ده غادي موزرنا الدولة الجمهورية جمهورية ورزق لا رويدن أدي تي وصنا فرانس تارت ولا ولا ده غادي أرتا واسي هورتونا جرو نصن فلس Merci à la mine et il est temps pour nous d'écouter les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Salamu alaikum studio Radio Kalangu. Ni ne Sani Sha'ibu Sandika nan garin da kwaro. Ina sauraron ta daga karhe goma sha ɗaya na sahe zuwa karhe sha biyu da marice kuma na sauraron ta daga bakin karhe biyar na marice abin da ya yamma. E kuma ne abin da ke burga ni cikin ma abin da yake duk labaran da take na ƙasa ne kuma da harshen hausa wannan shine ma nake jin daɗi sai kuma wasu abubuwa da suke kawa su ce yanzu kamar nan da kwara sai su ce kamar radio murya bisa lamba kaza a gari kaza bisa lamba kaza wannan abu ina jin daɗin shi eh don haka ina fatan ubangiji allah ya kara musu ɗaukaka allah ba su ƙarfin gwiwa da duk waɗin nijar da ake sauraron su kowa ma a ce yana sauraron wannan radiyon saboda labari mai mahimmanci na ƙasa da ƙarshe sai in gaida amannena akwai Mantau mai bidiyo da ke nan tudun Jimina akwai Hashimu Rumbu da ke garin Tawarya akwai Talle mai kanana da maya da ke nan garin da kwaro akwai Shaf Jariri da ke nan garin da kwaro to salamu alaikum ni ne mai kanana da maya na bakin ofital ni shiri wanda kuke yi yana kayatar da ni sosai amma ban da lokacin sauraron ku na rana amma yana sauraron ku sau da kafa labarun ku na marici shiri wanda kuke birge ne babu kamar shiri wanda kuke ma Voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous allons prendre congé de vous sur l'émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez nombreux à nous écouter. Merci à vous. Et vous étiez en compagnie de Rekia Arimi et moi-même, Rukai Abdraman. Le rendez-vous est pris pour demain pour les actus de jeunes en Hausa, Zarma, français et Fulfulde, n'est-ce pas, Ruki Oui, c'est ça. Et à la technique, nous avons Issa euh, et Saini Isaka et à l'édition, nous avons Moussa Hassan. Excellente journée à vous.